le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou 18h passé de 15 minutes à Niamey. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du Forum de Studio Kalangou, qui est un espace d'échange et de débat dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Les programmes de Studio Kalangou sont diffusés grâce à un réseau dynamique de 34 radios partenaires qui diffusent en direct les programmes de Studio Kalangou. Chers auditeurs, aujourd'hui le forum est consacré au nombre progressif des partis politiques au Niger, causent avantages et inconvénients pour le pays, le peuple et les membres du parti. Le choix de cette thématique est parti du constat que nous assistons de plus en plus à une multiplication des partis politiques au Niger, les uns plus importants que d'autres et certains sans le moindre siège ni au Parlement ni au Conseil municipal. Autre constat, avec euh, des alliances nouées, les charges de l'État augmentent à travers le partage des postes qui ne sont pas sans conséquence sur le fonctionnement de l'administration. Avec nous ce soir pour développer ce sujet, Adamou Ide, secrétaire à la communication du Bureau politique national du MNCD Nassara de l'Alliance politique au pouvoir. Adamou Ide, bonsoir. Bonsoir. Avec nous également euh, Tahiru Gimba, président du parti Modèle Maïkata, membre des partis non affiliés. Président Tahiru Gimba, bonsoir. Bonsoir. Nous avons également voulu avoir avec nous un représentant du bureau politique euh, national du Modèle FA Lumana, mais aucun représentant dans ce studio aujourd'hui. Ces derniers temps, on assiste de plus en plus à la prolifération des partis politiques au Niger avec euh, à la clé pour certains ou pour euh, la plupart sans projet de société à proposer aux militants et aux citoyens. Selon beaucoup d'observateurs, cette précipitation de la création des partis politiques s'inscrit dans l'esprit de pouvoir profiter des avantages qu'offre l'idée de s'allier à tel ou tel bord dans l'optique de s'accrocher pour s'assurer la subsistance. Adam Uide, secrétaire à la communication du bureau politique national du MNH de Nassara, comment procède-t-on pour créer un parti politique au Niger Merci Mokhtar, merci de nous avoir offert ton plateau pour pouvoir euh, parler avec le peuple nigérien sur les partis politiques. Mais avant, je voudrais saisir euh, cette occasion que vous m'offrez en or d'ailleurs, parce que nous sommes au seuil du nouvel an pour présenter mes meilleurs voeux à l'ensemble, n'est-ce pas, du peuple nigérien à travers donc ma voix et à travers la voie de la mouvance, comme vous dites. Maintenant, pour revenir à votre question, j'aimerais d'abord, de prime abord, définir c'est quoi un parti politique. Allez-y. Pour ma compréhension, un parti politique, c'est une association d'hommes et de femmes ayant pour vocation, n'est-ce pas, la gestion des affaires de l'État, à travers, bien sûr, un programme de société bien ficelé pour pouvoir procéder au développement culturel, social, économique et financier de la cité. Donc, c'est ça un parti politique. Maintenant, par rapport à ta question dans la forme, puisque en toute chose, il faut une forme et un fond. Vous avez parlé de prolifération des partis politiques. Je crois que l'option de la démocratie et du multipartisme est partie de la conférence nationale. C'est à partir de cette conférence nationale que des textes ont été élaborés pour cadrer le multipartisme. Le multipartisme, tous azimuts, ce n'est pas uniquement le multipartisme des partis politiques. Il y a d'autres associations qui sont en prolifération. Mais quand on me parle de plusieurs partis politiques au Niger, par comparaison aux autres pays qui nous entourent, je pense qu'au Niger aujourd'hui, on peut avoir une centaine à peu près de partis politiques. Or, Mokhtar, quand vous faites la comparaison avec le Mali ou bien avec le Congo, vous allez vous rendre compte qu'au Niger, il n'y a pas une panoplie, comme les gens le pensent, de partis politiques. Il y a bien sûr beaucoup de partis politiques, mais qui n'atteint pas à peu près le Mali, qui n'atteint pas euh, même le Bénin. Revenons par rapport à au processus de création d'un parti politique. Le processus, je vous ai déjà expliqué le processus de création d'un parti politique. C'est une association, je vous ai bien précisé. Donc, ce que l'on veut d'un parti politique, il faudrait que le parti politique soit assis sur des bases qui ne contradisent pas la Constitution, parce qu'il y a des textes de la République. Il faudrait donc, quand vous voulez euh, créer un parti politique, respecter les textes de la République. Notamment, vous avez la Constitution, vous avez la charte des partis politiques, vous avez le statut de l'opposition, vous avez même, n'est-ce pas, des textes relatifs à l'administration. Donc, il faut s'enquérir de tous ces textes-là pour pouvoir créer un parti politique Qu'est-ce qu'on ne veut pas d'un parti politique On ne veut pas qu'un parti politique soit uniquement l'apanage de famille. Il ne faut pas qu'il y ait des velléités régionalistes, des velléités ethnocentriques quand vous voulez créer votre parti politique. Le parti politique doit obéir à l'unité nationale. C'est ça l'objectif visé. Donc, en fait, voilà ma compréhension de ta première question. Adam comment expliquez-vous la création très poussée des partis politiques au Niger Je dis que c'est normal, puisque au Niger, après la conférence nationale, on a prévu le multipartisme. Alors, dès qu'on parle de démocratie et de multipartisme, c'est les textes qui autorisent les, uns et les autres à créer les partis politiques. Maintenant, la seule chose qu'il faut bien vouloir comprendre quand vous voulez créer un parti politique, il faut que ce parti politique est une couleur nationale, c'est-à-dire une représentation au niveau national. Il ne faut pas qu'il y ait clivage ethnique ou bien d'autres velléités qui compromettent l'unité nationale quand vous voulez créer un parti politique. maintenant, pourquoi créer un parti politique Quelles sont les motivations des différents acteurs Effectivement, je vous ai déjà parlé des motivations. Les motivations d'un parti politique, c'est la gestion du pouvoir d'État, je dis bien, à travers un programme de société. En tout cas, au niveau standard, c'est ça la, création du parti politique. Et tout celui qui veut créer un parti politique doit s'enquérir de ce standard. Maintenant, je crois que c'est ça, moi, ma compréhension, et je crois que c'est la compréhension aussi de la mouvance, comme vous dites. Taru Gimba, président du modèle Maïkata, parti non affilié, avez-vous d'autres idées sur les causes de la prolifération des partis politiques au Niger je vous remercie infiniment, Mokhtar, surtout euh, de cette occasion que nous offre euh, votre prestigieuse radio Kalangou. Et présenter donc, comme mon prédécesseur, mon jeune frère euh, Idé, mes voeux les plus sincères donc à l'ensemble du peuple nigérien et surtout un soutien ferme à nos forces de défense et de sécurité, qui euh, s'activent s'active quotidiennement, nuitamment, à toutes les heures, à défendre notre sécurité de nous-mêmes et de nos biens. Et si présenter nos condoléances à toutes les familles éplorées durant donc euh, l'année écoulée et les années parce que l'insécurité est devenue euh, elle aussi grandissante comme les partis politiques, comme vous dites, qui se profilent et prolifèrent. prolifèrent Mais je pense qu'il n'y a rien de grave en cela parce que euh, les partis politiques, comme l'a dit euh, mon prédécesseur, mon jeune frère Idé, sont créés, c'est des associations qui sont créées essentiellement pour la conquête du pouvoir d'État et, sa gestion. Conquérir le pouvoir et le gérer. Mais malheureusement, ce qui s'est passé au Niger et la mauvaise, c'est ce qui, c'est ce qui, euh, c'est l'arrière-idée que tout le monde a. La conférence nationale est partie sur des fausses bases. Et c'est un échec, la conférence nationale. La seule chose qu'elle a permis, la conférence, c'est que tu peux dire bonjour à ton voisin euh, sans être, avoir peur d'être arrêté le lendemain. Tu peux, discuter de, dans les fadas de tous les sujets. Il n'y a pas de sujet tabou. Ça s'arrête là. Mais le reste, la construction du pays, l'unité nationale, est-ce que réellement ce qui se passe aujourd'hui, euh, c'est ça Non. C'est des intérêts individuels aujourd'hui qu'on a. Vous avez des alliances contre nature. Il y a des choses du programme qui ne vont pas ensemble du tout il y a des partis. Toutes les crises récurrentes que nous avons, que nous, avons vécues de la conférence à maintenant, on a connu cinq coups d'État de la conférence à maintenant. Oui, deux civils et trois militaires. Ça veut dire quoi C'est une lutte d'intérêt simplement. Souvent, c'est des groupes d'individus qui créent euh, par un coup de tête parce que bon, je ne suis plus ministre, de mon, mon parti m'a déjà euh, poussé, je suis devenu ministre ou DG, je ne le suis plus, maintenant je vais créer un parti. Bon, ainsi de suite. On fait la somme de tous ceux qui ne sont pas contents, ceux qui n'ont pas eu les postes, et on crée un nouveau parti. Et c'est là le danger. Et là, on s'éloigne de ce qu'il a défini, ce qui est vrai. Quand vous créez un parti, vous devrez avoir à l'idée l'unité de ce pays-là. Ça, c'est absolument parce que les textes fondamentaux sont clairs là-dessus. Et la Constitution et la Charte des partis. C'est clair. Mais dans la pratique, c'est autre chose. Dans la pratique, c'est autre chose, monsieur le Président Tarugimba. Faut-il encourager ou décourager la prolifération, la création, euh, tous euh, des, partis politiques au Niger Ce qui a lieu de faire, c'est pas encourager ou décourager. Je pense qu'il faut, vous les médias notamment, comme les partis politiques, comme les associations de société civile. Maintenant, vous allez voir les partis politiques, la tendance, la mouvance. Ils, savent que ce la danse qu'ils font ne correspond pas au rythme du pays. Ils le savent les opposants savent bien qu'ils ne jouent pas leur rôle. Les non-affiliés aussi savent bien qu'ils, euh, souvent, ils sont affiliés. Donc, c'est la fausseté, au fait. Et c'est le développement de la fausseté qui nous a amené de l'état d'esprit lequel nous Sinon, 100 partis, c'est pas trop pour un pays comme le Niger. Au Bénin, je pense qu'il y a plus de 300 partis. Alors qu'ils ne font pas peut-être. Ils font à peine peut-être le tiers du Niger. Mais il y a après, après 300 partis au Bénin. Mais c'est pas là la question. La question, c'est la fausseté sur la base sur la, base sur laquelle on est parti. Qu'est-ce que c'est cette fausseté Nous prenons, nous en fait du copier-coller. On prend des modèles de démocratie, même si euh, l'histoire, parce qu'on euh, on ne refait pas l'histoire et on n'arrête pas le cours de l'histoire. La démocratie est devenue, elle s'imposait à tout le monde. Parce que les Occidentaux, au départ, quand ils nous ont donné l'indépendance gratuitement, là, quand ils ont donné le certificat de dire soi-disant on est indépendant, au départ, ils ont dit non, ils nous ont aidé à dire non, non, non, euh, c'est trop tôt pour vous d'aller en démocratie. On a commencé avec la démocratie dans les années 50 et quelques 40 et quelques jusqu'à jusqu'à l'indépendance, jusqu'aux indépendances. Mais ils ont freiné ça. Ils ont dit ah non pour développer un pays euh, comme le nôtre, euh, alors qu'eux-mêmes ils avaient des ethnies chez eux auparavant, même aujourd'hui. En France, quand vous allez, il y a des Bretons, il y a des Marseillais, il y a des, c'est des choses différentes. Il y a des Corses, c'est des choses différentes. des, ils ont même des dialectes eux-mêmes, comme nous mais ils ne nous permettent pas, nous, de prendre le courage pour dire écoutez, un pays comme le Niger ou le Nigeria ou le Bénin ou le Togo, on va prendre une langue africaine pour en faire notre langue officielle. Ils ne le permettent pas. Parce que dès que nous, dès que nous, allons nous entretenir avec eux sur la base de, notre, de nos réalités culturelles, ben, ils ne pourront plus nous maîtriser. Et ils ont dit au départ, parti unique. C'est ça qui va faire développer le pays. Ça a créé des guerres civiles, ça va RDA, on sait ce qui s'est passé au Niger. Mais Aujourd'hui, à l'évidence, il faut libéraliser. OK Ça a été fait. Mais la libération est très mal faite quand vous prenez le cas, du Niger, euh, le cas de la conférence nationale. Parce que vous voyez aujourd'hui des partis totalement, radicalement de gauche, des communistes, qui sont avec des libéraux et qui veulent gouverner comment Donc, ce n'est pas pour gouverner, c'est pour partager. Ils ne gouvernent pas. Ils planifient rien du tout, ils programment rien du tout. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Vous voyez, il y a peut-être 80 parties aujourd'hui la majorité. Mais à l'intérieur, pour que vous me compreniez très bien et que les auditeurs nous comprennent, à l'intérieur de la majorité, vous allez voir, il y a APR, il y a MPR, il y a, il BCR, il y a ACR, il y a CCC. Il y a trop de, de RRR, des choses, des rassemblements. C'est-à-dire qu'il y a MRN, mais ça veut dire que quelque part, ils ne sont pas ensemble. Ils sont juste allés <laughs> à la mangeoire. C'est tout. Et c'est ça le danger que court le Niger partager, partager, solutionner ce qui n'existe pas. On ne produit pas, mais on partage. On ne produit pas, on partage. on sera bloqué un matin ou l'autre. Vous ne pouvez pas continuer à consommer ce que vous ne produisez pas. Vous ne pouvez pas continuer à partager ce que vous ne... Donc, le problème, ce n'est pas la création des partis. Effectivement, avant de créer un parti, il, était, il est souhaitable que le groupe d'individus, de femmes, d'hommes ou d'hommes, engagés dans, qu'ils aient un programme, qu'ils aient une idéologie précise, mais aujourd'hui, qui, parle d'idéologie On parle des. je serai DG, je serai ministre, on va partager combien, on va, on va euh, diviser combien par deux, par combien par 18. C'est tout. Mais il y a plus, on ne parle plus des pays. On ne parle plus de conquête du pouvoir. Dès que celui-là est arrivé au pouvoir, tout le monde déménage. Faites l'historique. Vous allez voir, c'est les mêmes individus. Ceux qui ont survécu de Gori à maintenant là. C'est les mêmes. Quand ça change, il change. Quand ça change, il change. Donc ce n'est pas le pays qu'on développe c'est des individualités ou des groupes d'individualités, des petits groupes d'intérêts. Ça s'arrête là. Sinon, comment C'est pourquoi les alliances ne marchent pas au Niger, parce que c'est des alliances contre nature. Personne ne veut d'une alliance programme. Non, on fait semblant, on fait des communiqués, on signe des papiers, et ça s'arrête là. Mais la population, on peut l'arrêter également. La moindre chose, un parti politique doit avoir un siège national. Mais combien de partis Peut-être il y a une vingtaine maximum qui ont des sièges. Les restes, ils sont dans le sac de, leurs leur fondateur. À ah, ce nouveau, on fait comment mais c'est la loi qu'il faut appliquer. La moindre chose, Quand vous célébrez un mariage, le jeune marié doit avoir un chien pour accueillir le jeune marié. Vous n'avez pas un siège et vous dites que vous avez un parti politique. Alors, où vous allez vous asseoir pour bâtir quelle stratégie, quelle conception, quel projet de société à proposer aux Nigériens Ou améliorer le, premier projet initial sur la base duquel vous êtes parti. Donc, ce qui fait que quand vous prenez un parti comme le nôtre, nous, on est issus de ces MNCD-là. Mais en 2007 déjà, nous avons signé une lettre manifeste qui dit au bureau politique de parti, ce parti à l'époque, voilà un courant qui exige la transformation du MNCD en vrai mouvement démocratique pour le développement et la défense des libertés. C'est ça le modèle. En deux minutes déjà, les statuts sont rédigés. Donc on n'a pas attendu qu'il y ait guerre ou qu'il y ait conflit. On a réfléchi, on a dit nous sommes des centristes et recentrons le développement. Voilà notre vision. Nous, le semi-présidentiel, on sait que c'est l'utopie. Comment voulez-vous, dans un pays où 99% des gens ne peuvent pas s'acheter le 100 francs de quelqu'un le matin, et, qui est euh, euh, un, semi-présidentiel Pour faire quoi Adamou Ide, secrétaire à la communication du Bureau politique national du MNSD Nassara, vous venez là euh, d'écouter le président du modèle Maïkata Gimba. Selon lui, l'une des causes de la prolifération des partis politiques au Niger, c'est le partage. Est-ce que vous êtes du même avis que lui en fait, euh, ça c'est le débat de fond. Moi, je pense que en démocratie au Niger, les textes ont prévu, n'est-ce pas, une majorité qui gouverne et une opposition qui critique. Moi, je pense que c'est normal, selon les textes, que l'opposition critique. Mais les critiques de l'opposition doivent être des critiques fondées, objectives, constructives. constructives et qui font avancer le pays. Il n'est pas bon pour nous de nous appesantir sur l'éternel qui eh, quiproquo, les couacs politiques qui ne peuvent pas avancer le pays. Maintenant, quand on dit une prolifération de partis politiques, mais il doit avoir dans un pays, n'est-ce pas, l'idée ou la conviction de faire des textes pour cadrer les partis politiques. C'est vrai, au Niger, on a vu, n'est-ce pas, de toutes les alliances. Ça, c'est vrai, de la conférence nationale du multipartisme à aujourd'hui, on a vu toutes les natures d'alliances. Tous les partis politiques se sont alliés. Mais contrairement à cela, aujourd'hui, quels sont les partis qui sont de l'obédience, n'est-ce pas, majorité C'est les partis majoritaires. Donc ça veut dire qu'il y a une majorité des majorités qui est dégagée à travers cette mouvance-là. Tous ces partis qui sont à la mouvance ont des sièges à l'Assemblée nationale. Tous ces partis ont des sièges au niveau des conseils, comme le dit votre texte. Donc je crois que quand ces partis se retrouvent, n'est-ce pas, avec des talents, si on leur permet de bien travailler, je crois qu'on peut sortir le Niger de l'ornière. Mais malheureusement, est-ce que tous ces partis politiques ont cette ambition qui est la conquête et l'exercice du pouvoir d'État conformément aux règles des jeux démocratiques Mais Mokhtar, cela va sans dire. Cela va sans dire. Aujourd'hui, la majorité de ces partis-là ont gouverné. Si je prends le MNSD, a gouverné. Si je prends par exemple le PNDES, à gouverner, Aujourd'hui, il y a Jambouria qui est dedans il était avec nous. Donc, je crois que tous ces partis ont une il Il y a, d'autres petits partis politiques qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale. Mais tout à fait normal, c'est le texte, c'est une question d'alliance, c'est une question de front, c'est une question d'union. Moi, je crois que les textes doivent être toilettés en vue de combattre le vagabondage politique. Voilà, en fait, ce qu'il faudrait faire circonscrire et limiter le vagabondage politique. Aujourd'hui, ces textes n'existent pas. Je crois que dans d'autres pays, c'est ça qui est maintenant à la mode. On est en train de réfléchir. Parmi, la, la centaine euh, des partis politiques, il y a beaucoup, une vingtaine qui n'ont même pas le siège d'un conseiller. Tout à fait. Aujourd'hui, je vous ai dit qu'il y a des partis qui se limitent à leur famille. Il y a des partis qui se limitent à leur région. Il y a des partis qui se limitent à leur ethnie je, crois que la Constitution n'aime pas ça. La Constitution bannit ces pratiques politiques. Et c'est pourquoi il faudrait cadrer. Moi, je pense que est, tout à fait normal que des textes soient élaborés pour cadrer les partis politiques. Ce n'est pas la création des partis politiques qui en soi constitue un problème. Non. Non, nous sommes en démocratie. On ne peut pas limiter la création des partis politiques. Mais encore faudrait-il que ces partis politiques aient dans leur création une envergure nationale. Il faut même imposer des quotas régionaux pour pouvoir créer des partis politiques. Ça, c'est très important. Et on ne peut pas donc, si les textes ne sont pas élaborés, aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, euh, aujourd'hui, on ne peut pas limiter la création des partis politiques. Moi, je pense, je pense hein, que au Niger, le Niger est vraiment rempli de talents. On peut très bien réfléchir ensemble on peut très bien travailler ensemble pour développer notre pays. Surtout que c'est un pays très riche. Si les, fils du pays s'entendent, si les partis politiques se comprennent, chacun doit jouer sa partition. On ne peut pas aujourd'hui empêcher à l'opposition de critiquer. Nous, on a fait l'opposition. Et on sait qu'à l'époque, on a. Vous avez encore géré on a, on a, géré et on connaît ce que c'est que la gestion de l'État, du pouvoir d'État. Donc, je pense, hein, je pense que il faudrait faire des textes. Il faudrait, il ne faut pas se fatiguer à élaborer des textes pour pouvoir cadrer les partis politiques. Ailleurs, c'est ce qui est en vogue aujourd'hui. Et je crois qu'au Niger, on doit réfléchir sur cet état d'esprit. Taru Gimba, président du modèle Maïkata, vous avez quelque chose à ajouter rapidement Oui, ce que j'ai à ajouter, c'est que au-delà des textes, il existe la charte des partis politiques qui impose déjà la nouvelle version, la dernière version, euh, si je peux l'appeler, salut Jibou, euh, impose à tous les partis d'avoir des sections dans les huit régions que compte le pays. Déjà. Mais le problème n'est pas là-bas. Le problème, il est ailleurs. Le problème, c'est que euh, les partis politiques, aujourd'hui, je vous donne un cas pratique. Aujourd'hui, aucun parti politique n'a de conseillers municipaux. Ils racontent leur vie. C'est en violation de la loi flagrante qu'ils ont prorogée de manière ad vitam, qui continuent à le faire les mandats des, conseillers municipaux. Personne donc n'est représentatif à ce niveau. Nous sommes tous sur le pied d'égalité. L'Assemblée nationale et toutes les élections, pour nous, c'est un non-événement parce qu'il n'y a pas eu d'élection. Donc vous voyez un peu, c'est nuancé, personne ne représente rien du tout. Le, problème de fond, c'est qu'il faut s'asseoir, toiletter, effectivement, comme il l'a dit, les textes, mais les vrais textes, en commençant par la Constitution, estirper là-dedans le phénomène du semi-présidentiel. Parce que on ça la Dans la, deuxième partie, on va en discuter. tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de créer un parti politique dans les conditions prévues par la loi. Même si cela est clairement admis, le nombre pléthorique de partis politiques doit conduire à se poser la question de l'utilité d'avoir une centaine de partis politiques, dont seulement une dizaine représentés à l'Assemblée nationale. Taru Gimba, président du parti modèle Maïkata, selon beaucoup d'observateurs, le régime semi-présidentiel est source de multiples crises et encourage les dissidences scission et surtout le partage des postes entre les membres des coalitions ou alliances après avoir remporté les élections. Quel regard sur la nature du régime actuel au Niger C'est le regard vraiment où les regards où le sont très simples. C'est que nous sommes sur la nous faisons fausse route. Écoutez, on était 15 candidats à la dernière présidentielle. Rares sont ceux euh, qui ont réellement formellement reconnu leur défaite, mais ils sont aujourd'hui de cette majorité. Première fausseté. Les opposants, eux aussi, ils ont leur, tard. Ils, ont recusé la Cour constitutionnelle, ils ont recusé la CENI, ils ont recusé le CFEB. Mais aujourd'hui, le MNCD était encore cette, phase-là. Ils ont transmis le nom de leur soi-disant élu à l'Assemblée nationale et la même Cour qu'ils contestaient a validé ces candidatures ils siègent maintenant, ils ont un brassard. on, en a fait le débat en son temps. Oui, je sais, mais c'est pour vous dire un peu. Vous ne reconnaissez même pas les résultats des élections et vous partez vous associer à la gestion d'un État. C'est sur quelle base alors La raison, ils disent, que, que le pays est fragile, il faut construire. C'est beau ça, c'est trop beau. Écoutez, le Niger a été toujours un pays fragile. Et la fragilité du Niger, c'est quoi C'est dû aux hommes. Et ce qui a compliqué les choses, je vous ai dit, c'est la fausseté, avec le socle de la conférence nationale. C'est parti sur des fausses bases. Le régime semi-présidentiel. Semi-présidentiel, c'est un, des... qu'est-ce que ça peut faire au Niger que développer la corruption C'est tout. C'est du fait nous fait. Tu me fais, je te fais. Et le type, si il, a, exige, euh, je vais rentrer avec toi, mais voilà ce que je veux. Si tu me donnes pas, je suis pas dedans. Et à mi-chemin, si on te retire ce qu'on t'a donné, tu es capable le matin de changer encore d'alliance pour aller dans notre camp le d'où le vagabondage politique et la corruption accélérée. Et en réalité, l'homme politique, moi j'ai dit, c'est pourquoi quand quelqu'un me dit, vous les politiciens, j'ai dit non, moi je ne suis pas un politicien parce que les politiciens c'est des menteurs. Ils font ça sur le dos du peuple. Ils cassent leur carreau sur le dos du peuple. Vous, faites aussi de la politique Non, j'ai fait de la politique, mais je ne suis pas un homme politique. Je ne suis pas un politicien. Parce que les politiciens, et c'est ça qui sont dans cette alliance. Il y a une nuance Il y a une nuance. Parce que ça veut dire quoi Tout le commun du mortel, quand on dit vous êtes politicien, vous êtes un menteur un spéculateur, un, jongleur. C'est ce qu'on a eu. Ça ne dit rien. Quoi. Par exemple, quand quelqu'un dit Ah, mais nous, on va aller, il faut vraiment un tel président, il faut qu'on aille. Moi, j'ai des militants qui m'ont dit une fois. notre bureau politique a dit non souverainement, mais j'ai des militants qui m'ont dit Monsieur le Président, on va aller trouver quelque chose à manger. Mais qui va donner quelque chose à manger Tu ne produis pas, tu ne travailles pas. Et tu vas aller simplement tendre la main, aller dans une histoire où tu ne crois pas. Et tu sais que pertinemment, l'option qui est prise, on va directement dans le décor. Tu le sais. Tu sais que ce n'est pas de l'intérêt du pays que tu vas y aller. Vous pensez que c'est de l'intérêt d'un pays à avoir euh, plus d'une centaine de ministres conseillers dans une présidence C'est l'intérêt d'un pays d'avoir 45 ministres, un pays euh, ou de, multiplier la masse salariale par trois, juste pour satisfaire les hommes politiques et le monde rural. L'éducation, la santé sont par terre. Même notre sécurité est menacée. On nous fait envahir par des, ou recoloniser par des bases militaires extérieures. Non, j'ai dit, il faut arrêter, ça c'est du désordre. Selon vous, la bonne option pour le Niger, c'est le régime présidentiel. C'est le régime présidentiel, mais avec des garde-fous. une chambre constitutionnelle réellement forte, indépendante de tout pouvoir. Une CENI réellement indépendante, pas de jonglage. Les fonctionnaires que vous avez nommés à tel poste vont venir remplir une CENI, vous dire que c'est une CENI permanente. Ça, c'est un enfant morné, parce que ça ne pourra jamais faire des élections correctes. Jamais. Et il faut dépolitiser une CENI permanente. C'est un exemple que je vous donne. Prenez par exemple Madame Bazé, elle est magistrat, non Elle a dit non à un tel, non à un tel, non à un tel. Pas des moindres. Chaque fois, on la limoge parce qu'elle dit non. Mais prenez cette dame, mettez-la présente de la CENI permanente et lui demandez de chercher ses collaborateurs. Maintenant, quand il y a des élections présidentielles, chaque candidat envoie son délégué qui sera coopté par la CENI, c'est tout. Mais maintenant, vous faites une CENI. On dit, ah, il faut exclure les, les non c'est des opposants cachés qui se cachent derrière la forêt pour faire de l'opposition. Ils refusent Comment, comment on peut arriver au pouvoir et dire que non Le concept que j'ai trouvé, un tel n'a pas le droit de dire qu'il n'est ni à l'opposition ni à la majorité. Moi, je me sens très bien à l'aise parce que j'ai un parti centriste, même mes textes sont centristes, et j'ai dit qu'il qu'il faille évacuer l'ensemble de la classe politique issue de la conférence nationale pour faire refonctionner, refonder le Niger. Je l'ai écrit noir sur blanc. Et c'est clair et net. J'ai dit qu'il faut ramener tout le gouvernement à 16 ministres. Parce que le Niger n'a pas besoin de ce Bataclan. Les investissements de prestige, il faut arrêter, il faut s'asseoir. Comment développer le pays Comment voulez-vous qu'un pays décolle qui n'essaie même pas d'avoir, d'initier un même un tissu industriel le plus léger pour transformer un temps soit peu, ne serait-ce que l'oignon de Galmi Adam Ouide, euh, secrétaire à la communication du bureau politique euh, national du MNSD Nassara. Quel regard sur la nature euh, du régime actuel au Niger moi, je pense que <coughs> nous avons parlé des textes de la République. Tout, à l'heure, en entendant mon grand frère parler, j'étais sur, très surpris parce que dans certains de ses propos, c'est comme si les Nigériens ne sont pas égaux devant la loi. Parce que quand il dit qu'il faut faire partir une certaine classe politique pour rajeunir les partis politiques, c'est comme si les vieux n'ont pas droit dans ce pays. Et je rappelle très bien. On, peut faire, du neuf avec du vieux. Après. Non, je viens parce qu'il faut relativiser aussi, toi aussi, il faut bien cadrer le sujet. Parce que le sujet qui nous amène ici, on dirait que nous essayons de déborder par rapport au sujet. L'heure n'est pas aujourd'hui à réfléchir sur euh, euh, euh, le présidentiel ou le semi-présidentiel. Nous sommes dans une logique de semi-présidentiel prévue par la Constitution depuis la conférence nationale à ce jour. Je pense que nous ne sommes pas venus aujourd'hui pour parler un autre langage. Je viens, s'il vous plaît, grand frère, quand vous intervenez, moi je pense que allez, <laughs> je n'ai rien dit. D'autre part, vous dites, grand frère, que vous n'êtes pas politicien. Mais je suis surpris alors que vous avez été candidat à la présidence de la République. Comment, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je ne répète que ce que vous avez bien voulu dire. Et tous les Nigériens ont vu Tahir Gimba battre campagne. Ça veut dire que, comme moi, Adam Ide, petit frère de Tahirou, Tahirou Gimba est politicien. Et c'est pourquoi il est autour de ce plateau. Ah, ah, et autre chose, vous venez de dire que le MNSD est parti à la mangeoire. Ça, nous l'avons entendu plusieurs fois. Nous avons entendu tous ces cris-là à tort et à travers. Les gens ont parlé là-dessus à corps et à cri. On a tout entendu. Mais en fait, nous nous sommes très bien expliqués comment nous voulons faire de ce pays-là un pays qui gagne. Et c'est pour cette raison, pour préserver la paix, l'unité nationale, que nous sommes allés accepter la main tendue du président de la République pour participer à la gestion du pouvoir d'État nous l'avons dit. Il faut que nous venions chaque fois répéter ce langage. Ça, c'est de un. Je pense que la marque de fabrique, tout le monde sait, du MNSD n'est pas l'éternel recommencement. Il faudrait qu'on travaille. Et c'est pour ça que nous sommes avec le pouvoir. Maintenant, d'autres considérations, je pense que, et, ça, c'est n'est pas sur ce plateau que nous, nous allons nous prononcer sur un régime présidentiel ou un régime semi-présidentiel. En tout cas, moi, je n'ai pas cette toge-là. Je ne suis pas venu avec cette toge pour pouvoir dire cela. Non, je suis envoyé par un parti politique et j'obéis aux, consignes du parti politique. Adam parlons à présent du financement des partis politiques. Est-il normal que le Trésor public finance en partie les formations politiques, surtout que ces partis, beaucoup n'ont pas de comptabilité fiable si l'on se réfère au rapport de la Cour des comptes Merci de cette question. Et là, je reviens à ce que je connais, le MNSD Nassara que je représente ici. Et je suis le secrétaire adjoint à la communication, pas le secrétaire à la communication, adjoint à la communication, je précise. Au MNSD Nassara, notre association est financée par une cotisation des militants. Les militants, c'est eux, en tout cas selon nos textes, qui cotisent. Et jusqu'à preuve de contraire, c'est ce que nous, nous observons au MNSD nous avons des cartes que nous plaçons au niveau des... des, c'est notre habitude cela, que nous plaçons au niveau des, militants et les militants cotisent en achetant ces cartes-là. Ensuite, il y a souvent des cotisations personnelles que les militants, les, les militants veulent bien faire et c'est ça qui contribue au financement de notre parti. Et c'est ça qui fait la différence et la grandeur du MNSD Nassara. C'est pourquoi le MNSD Nassara a connu un bailliage national. Tu peux aller dans n'importe quel, je précise, dans n'importe quel village du Niger, tu trouveras le MNSD Nassara, tu trouveras les militants du MNSD Nassara. Ce n'est pas un parti familiarisé. Il faudrait qu'on, ni régionaliste. Maintenant, eh, eh, eh, il y a l'État. Maintenant, c'est pourquoi je dis, dans ce pays-là, nous allons apprendre, et c'est ça notre défaut, à respecter les textes. Si les textes de la République disent qu'il faut financer les partis politiques. Alors dans tous les pays du monde, ça se fait, même en Amérique. Où est-ce qu'on ne finance pas les partis politiques à travers... Là, les partis politiques, certains partis politiques ne <laughs> trouveront même pas à vivre deux jours. Donc, euh, moi, je pense que s'il y a des textes qui ont prévu de faire quelque chose au Niger, il faudrait que ces textes-là soient, soient respectés. Voilà ce qu'on demande, le respect des textes de la République. Taru Jimba, président du, modèle, euh, du parti modèle Maïkata euh, non affilié, quel regard euh, sur le financement des partis politiques Écoutez, je pense que le financement des partis politiques, c'est quelque chose de normal. Si en amont, il y a des élections correctes, ceux qui sont représentés, ceux qui doivent nous représenter sont correctement élus. Je pense que pour attendre que ce soit au niveau de l'Assemblée ou des conseillers municipaux, des conseils municipaux, je pense que c'est normal que l'État vienne en appui parce que le fonctionnement d'un parti au Niger est complexe. Il y a des gens qui sont militants, des, grandes gueules des partis politiques, mais ils ne donnent pas un franc, ils ne cotisent pas du tout. <laughs> J'étais MNCD pendant 20 ans, membre du bureau politique. Donc, les gens ne cotisaient à quelques individualités qui cotisent. Les cartes, effectivement, vous allez voir, souvent c'est le, leader ou bien le commerçant du quartier ou de la région qui a fait toutes les cartes pour aller distribuer gratuitement à certains militants. Mais nous, au modèle Maïkata, oui, nous, au modèle Maïkata, c'est une bonne chose, mais nous, au modèle Maïkata, ce qu'on a fait, dès au départ, les cartes, elles nous ont coûté plus de 100 francs l'unité, mais on les vend à 100 francs. Personne ne peut adhérer au modèle Maïkata sans carte de membre. Et il faut l'acheter à 100 francs. Parce que, sinon, comment venir discuter dans un bureau politique avec quelqu'un qui ne sait pas comment le lot électricité du siège est payé, il ne sait pas comment euh, le loyer est payé, il ne sait pas comment le parti fonctionne, il ne sait pas quel, combien de carburant on peut consommer. Donc je pense que le financement du parti, s'il est légalement fait, si tout est légal, je vous parlais, tout ça c'est une condition. Ah oui, parce qu'il faut que ça soit légal. Si les textes sont prévus, mais il faut toiletter les textes. Et j'ai dit, et je le répète, contrairement à ce qu'il dit là, je n'ai pas indexé le MRCD en tant que tel et parti seul à la mangeoire. Non, j'ai dit tous les candidats à la présidentielle. Oui, tous les. n'ai pas dit le. n'est pas une exclusivité du MNSD. Non, j'ai dit. Était dans cette phrase. Non. La phrase est là. Attends, Adamou, tu n'as pas la parole. Moi, j'ai dit le MNSD et les autres. Alors. Ben, voilà. Voilà, ok. Et j'ai dit... Voilà. Et j'ai dit et, je ne veux pas frustrer mon jeune frère, mais c'est le MNSD et tous les autres. Aucun d'entre eux n'a reconnu les élections passées. L'autre sont tous sur l'autre côté. l'autre phénomène, c'est le manque de démocratie dans les différentes formations politiques. Quelle réaction rapidement Mais les Américains disent qui paye commande. C'est-à-dire c'est clair. Les Américains, au moins, vous savez, ils ont une approche <laughs> claire des choses. Euh, les Américains ont une approche claire des choses. Qui paye commande ceux qui payent les cotisations là, c'est eux les dirigeants. Eh oui, ceux qui font financer, fonctionner un parti, c'est eux les dirigeants. Parce que les autres ont leurs apports intellectuels, c'est vrai, en ressources humaines et tout. Mais généralement, regardez même dans une famille. Alors comment faire pour, que les alternances au sein des partis politiques L'alternance au sein des partis politiques, la démocratie s'apprend. Il faut beaucoup de talent, beaucoup de patience, parce qu'il y a des moments où on est obligé de vous reconnaître un fait de vous repositionner. Parce que vous avez cette capacité-là. Vous avez les la base sociale, vous avez une contribution intellectuelle, vous avez une contribution matérielle. En tout cas, votre euh, euh, engagement obligera certainement ceux qui ont initié un parti à propulser n'importe quel des militants à des postes les plus élevés. Et la succession se fait, la relève, comme on dit, il faut la préparer dans un parti politique. Il faut qu'il y ait des jeunes, il faut qu'il y ait des vieux. Contrairement à ce qu'a dit, moi je ne parle pas d'enlever les vieux de la scène politique. Non, j'ai dit les acteurs, l'esprit qui a guidé la conférence nationale est dévastateur. Parce que c'est un esprit où les, hommes politiques, les, politiciens, comme il le dit, moi je dis je ne suis pas politicien, mais j'ai fait de la politique. Et je le répète, et, excuse-moi, et comment dirais-je, euh, les, les, hommes politiques, oui, ces pratiques-là, il faut qu'ils élèvent de leur tête au départ, on a dit à tout le monde la conférence nationale, c'est pour remettre le Niger sur les rails, c'est pour faire un Niger très beau, un Niger bien où il fait bon vivre. Mais après, on a vu tous ceux qui se sont succédés dans les ministères, dans les directions générales, quelles sont les pratiques. Après, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ne trouverez pas de militants qui cotisent. Parce les euh, gens ne font que s'enrichir eux-mêmes. Secrétaire à la communication adjointe du bureau politique du MNSD Nasra, depuis l'instauration du multipartisme au Niger, pourquoi ce sont les mêmes personnes qui sont à la tête des différentes formations politiques pourquoi n'y a-t-il pas d'alternance au sein des partis politiques Moi, je ne suis pas d'accord. Euh, au MNSD. Nous, au MNSD, on n'est pas d'accord que c'est les mêmes personnes qui sont aux commandes des partis politiques le MNSD, il y a l'alternance au niveau de, de la tête du parti. Vous savez, c'est étranger le président du parti. Après, il y avait eu Hamadou, le président du parti. Et actuellement, c'est nous, ça veut dire qu'il y a eu de l'alternance, ça veut dire que nous, au MNSD Nassara, nous ne sommes pas des pères fondateurs. Mais c'est pas le cas dans, dans, certains partis. S'il vous plaît, le MNSD, c'est pas des pères fondateurs. On n'a pas de pères fondateurs. Et c'est ça le danger dans, les partis politiques. Dans certains partis, c'est pas le cas. Oui, justement, moi, je, je suis venu ici au nom du MNSD Nassara et au nom de la mouvance, et même le PND, si vous prenez, c'était ici vous le président aujourd'hui, c'est Bazoum. Ça veut dire qu'il y a eu alternance au niveau des partis de la, de la mouvance présidentielle, s'il vous plaît. Maintenant, vous avez parlé, vous avez posé une question très, très, très utile, l'alternance. Tout de suite, le grand frère, candidat aux élections présidentielles, nous parle d'un régime présidentiel. Et là, c'est très dangereux de vouloir le dire. Lui, il a la bouche pour le dire parce qu'il est président d'un parti politique. Alors, est-ce que si on prend l'option de régime présidentiel, est-ce qu'il n'y a pas de velléité de pouvoir ne pas accéder à l'alternance C'est ça la, la, question qu'il faut se poser, grand frère. Est-ce que les régimes présidentiels vont favoriser l'alternance Et c'est ça le danger. C'est pourquoi le Niger a opté pour le régime semi-présidentiel. Et le régime semi-présidentiel, aujourd'hui, dans toutes les démocraties du monde, c'est ça qui fait recette. Et moi, je pense qu'il faudrait maintenir le régime semi-présidentiel pour développer la démocratie. Sinon, la démocratie ne sera pas. Ça, c'est mon avis personnel. Je n'aimais pas l'avis de mon parti. En tant que citoyen ayant mes propres droits. Donc, il faudrait qu'on relativise quand on les discussions. Rapidement, 30 oui. secondes. Oui, euh, tout ce que je voudrais dire simplement, le semi-présidentiel, c'est un luxe pour le Niger. C'est le développement et il a, il a, des, germes d'instabilité. C'est lui le, germe d'instabilité qu'on a. L'incision, les, les, les, dissidents, les dissidences, les achats de conscience, les, le monnayage de ceci ou de cela. C'est le fait. non, je vais vous dire, prenez un pays, prenez deux pays un exemple, deux pays un exemple, le Bénin et le Nigeria, le Bénin et le Nigeria. Si ces deux pays avaient, un régime de semi-présidentiel, ces pays seront invivables, ingérables, le Nigeria et le Bénin. Et c'est valable pour le Niger. le Bénin, il y a des problèmes. Non, il y a, des Je non, Écoute, les mandats sont limités. Non, l'essentiel, c'est de limiter les mandats. L'essentiel, c'est de limiter les mandats. L'essentiel, c'est de cadrer de manière juridique euh, l'aspect du, semi Mais le semi présidentiel au Niger aujourd'hui, comment vous pouvez expliquer à l'enseignant contractuel qui est touche quinze 000 qui n'est pas payé, qui a 120 ministres conseillers à la présidence, ou 50, ou 40, ou 30, ou même un ça, toutes les Non, c'est une mauvaise démocratie. La démocratie doit aller de l'intérêt du peuple. Voilà, nous sommes, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous étions avec euh, Adam Ouide, secrétaire adjoint à la communication du bureau politique euh, national du MNC de Nazara. Nous étions également avec euh, Gimba, président du parti Modèle Maikata, membre des partis non affiliés. Merci à vous tous de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Prochain rendez-vous demain, même heure, même fréquence de nos 34 radios partenaires avec une autre thématique. Merci, au revoir.